Et je me réjouis de la diversité des points de vue. Chacun a pu s'exprimer librement, a donné cours à ses idées et je n'ai aucun doute que les discussions qui suivront cette séance d'ouverture du dialogue pourront approfondir les différentes questions. Le dialogue devra s'organiser autour des commissions que j'ai indiquées dans mon propos liminaire. Il nous faut dès à présent finaliser et au plus vite les TDR du dialogue, les termes de référence. Je dirais d'ici le week-end. Maintenant, il faut travailler tenant compte des délais imprescriptibles du processus électoral. Donc, euh, d'ici vendredi, samedi au plus tard, il faut que chaque parti puisse faire parvenir ses propositions en matière de termes de référence dans le dialogue. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui a été dit. Et sous la conduite du président Moutafagnas, un secrétariat sera mis en place pour cela et enrichi par les différentes propositions des partis. Je rappelle que ces locaux qui pourront abriter certaines commissions, la plénière, ils disposent d'une euh, salle de 120 places peut-être. Euh, certaines discussions pourront se faire à l'immeuble Bourgie, pas loin d'ici, au deuxième étage. L'immeuble Bourgie face à la Société Générale, et contigu à l'IPRES, donc c'est facile à localiser pour pouvoir également donner la constitution des commissions. Je demanderai au ministre de l'Intérieur qui avait suivi, qui avait assuré le secrétariat du dialogue politique de faciliter le contact et la collecte de ces TDR qu'il faudrait transmettre euh, au niveau de la présidence du dialogue. Nous pourrons recueillir en même temps la désignation des représentants c'est partis, en dialogue. Et là où nous avions des commissions qui sont restées fonctionnelles, nous pourrons consolider. Donc ces présidents de commission, ça ne sert à rien de reprendre le travail. Ces rapporteurs, là où il faut corriger, remplacer, nous pourrons faire très rapidement ce travail afin que tout le monde se mette à la tâche. Je souhaite également que les délais du dialogue soient des délais raisonnables, enfermés en tout cas au courant du mois de juin. Il ne faut pas qu'on sorte de ce mois sans l'essentiel des résultats et recommandations du dialogue. Parce que s'il y a des actes qui nécessiteront des lois ou de, du règlement, des décrets, il faut bien avoir le temps. Et donc, euh, il faut que l'essentiel soit fait. Il n'est pas dit aussi que nous serons d'accord sur tout mais au moins sur l'essentiel des consensus et des compromis qui pourront être trouvés, il faut qu'on mette à profit cette période du mois de juin pour arriver à faire avancer euh, nos discussions. Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit de façon simple dans mon propos liminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien, qui sont appelés au téléphone, ils sont menacés de mort, les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une république. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. C'est pas là le problème. Contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce n'est pas nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaines en Afrique, connues, reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour nos forces pour la gendarmerie ou la police de tirer sur des manifestants, sur des civils. Vous savez bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Et les enquêtes vont révéler ceux qui sont arrêtés avec des armes, qui présentent les mêmes calibres et qui tirent. après qu'on dise, il y a tant de morts, oui, le Sénégal, c'est le chaos, etc., etc., pour penser qu'on peut, sur cette base, amener l'État à démissionner devant sa responsabilité régalienne d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. kon dialogue la démocratie et jàmm mu tambali si faire respecter la loi parce que la loi bi buñ ko ça veut dire que nous devons faire des parce que bu fekkee buñ la defee nga fayu loolu fi mu ñu yóbbu musiba la war ñaan yàlla Sénégal yegg si foofu pourquoi d'ailleurs maa ngi ñaan képp ki nga xam ne da ngay réagir il faut faire confiance à l'état de droit à la justice et aux forces de défense qui sont chargées bien sûr de protéger les citoyens bu ñu duggee si fayeeku wante fi muy jëm baaxul maa ngi ñaan aussi ñi taal këru jàmbur yi nañu bàyyi parce que lolo ken mënu ne pas croire que vous pouvez détruire les biens d'autrui et vous vous êtes tranquille comme ça c'est une illusion donc il faut que vraiment wartan bi ñu linga ko ci li nga ñun sommes bokk muy suñu biir parce que ay doomu lañ amul ne man bu xëy na du peut-être dina metti tous les jours amul luñ dul wax président de la république moom a des droits c'est un citoyen ku ñu rek dafa am donc dialogue bi maa ngi gërëm ñi nga xam ne gëm nañu les vertus du dialogue te du ñu leen décevoir parce que man au-delà de dialogue au la de ay manda mandat danaa leen poser leen manda poser leen débat bi waaye li nga xam ne mënuma koo bàyyi mooy kuy jéem a faafaaga réew mi wala di ko jéem a yàq wala jàpp ne mën nañ fi installer kaw loolu moom lu mu jar dinañ ko ci def mandat boo leen bëggee da ngeen koy ñaan ma ne leen jël leen soo leen bëggee waaye ci njekk nag ci njëkk de waaye par force doo nekk doo doo doo nekk candidat ñu teg ko ci leen bëgg-bëgg mais au nom de te ñi koy wax ñoo campagne le référendum oui le président de deux mandats tout le monde le sait tout le monde sait lire le droit Le débat boobu parce que débat dialogue bi la Maintenant, nous débattre dans le dialogue ne Nulma, nullement comme on débattre l'ouverture et l'inclusion parce que c'est pour le Sénégal c'est pour l'avenir de ce pays donc là, le ñu ko dialogue dans cet esprit pour faire avancer encore notre démocratie. Ne, me demandez pas de croiser les bras face aux velléités de déstabilisation de notre pays. Personne ne me demande cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Force doit rester à la loi. Alors, pour le reste, Japonani, chaque parti doit vraiment le plus rapidement possible désigner ses représentants. Peut-être qu'après la synthèse des termes de référence qui ont été donnés, et chacun pourra aussi proposer. Les autres dialogues antérieurs avaient déjà fixé des quotas pour chaque entité. Sumbolo, l'Ol aussi donc commission yi de façon vraiment rationnelle pour que ñu mën a am résultat yu am euh, yu am njëriñ pour askan wi li ci des nag yaakaar naa ni sant leen rek ak gërëm leen moo ma war sant waa réew mi sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi sant kilifa parti politique yi ci boor buñ ñu mënti nekkee mais sant également le secteur privé ak centrale syndicale organisation féminine képp ku fi toog ci anam boo fi mënti toogee ñu sant la gërëm la ndax lii dafa am solo te mooy lii def l'exception sénégalaise day wone ni am nañu nos propres ressorts pour gérer nos crises te loolu mooy sagu Sénégal loolu nag kenn waru ko yàq ci jaloog bi kon vraiment maa ngi gërëm leader politique yi nga xam ne bu ñu amuloon courage le courage politique aussi, c'est de ne pas suivre tout le temps la clameur, de pouvoir faire ce qu'on estime être utile pour son pays, quel que soit par ailleurs les échos. C'est d'être venu et d'essayer justement de trouver des solutions à travers cet échange, ce dialogue entre les différentes parties. dès que nous aurons l'ensemble des termes de référence et la constitution des commissions. Avec vous aussi, nous allons travailler sur la présidence en particulier de la commission politique, Mon politiciens ils sont toujours plus compliqués mais si nous avons ñi le secrétaire, est le ministère de l'intérieur comme nous alors je pense que nous pourrons avancer très vite parce que pour les autres secteurs notre réflexion bi pas presque c'est la commission politique qui va pouvoir c'est la culture c'est la spontanéité donc il faut l'accepter Senghor disait que l'émotion est nègre la raison est Hélène voilà, c'est ça, il faut l'accepter. Merci beaucoup. Mangi sant Nyop di Et voilà, ainsi conclut euh, le prix.